sëñ merci beaucoup ce sont les clés de la République la clé de la du, palais de la République que vient de donner le président Macky Sall au président Bassirou Diomaye Faye qui salue le directeur général de l'artiste, monsieur Hassim Tala, et le président Macky Sall et voilà les honneurs militaires ouais les honneurs militaires. L'œil avec le détachement de la garde présidentielle, le président de la République, Bassir Diomaye qui raccompagne le président Macky Sall, qui reçoit les derniers honneurs militaires ici au palais. C'est le général Mohamed Mbeng, général du chef de l'État. Le chef d'état-major particulier du, chef de l'État le général Maïseignan, euh, qui est le grand chancelier euh, de l'Ordre national du Lyon, euh, Jean-Marie euh, Nyan, également, qui est ici à la présidence de la République, euh, que nous avons trouvé ce matin. Le ministre Omar Sambaba, ministre secrétaire général de la présidence de la République, et également le président Bassirou Diomaye Djahar le président qui accompagne le président Macky Sall. Voilà, le président Macky Sall qui part et qui va partir avec le sentiment du devoir accompli, qui salue euh, les travailleurs de la présidence de la République, la garde euh, rouge présidentielle. voilà de très belles images entre le président de la République, Basiru, Diomaye Faye, et le président Macky Sall. Nous, vous laissons vivre les honneurs militaires. Voilà la dernière accolade la colère entre le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye. Et cette chaleureuse de main. Hein. Chaleureuse poignée de main entre le chef de l'État et le chef de l'État sortant, le président Macky Sall, le président Macky Sall qui s'en va maintenant. Et voilà, nous sommes maintenant avec le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, cinquième président. Et qui va venir occuper les lieux. Qui va venir occuper les lieux. C'est ça, le, soir, euh, c'est ça aussi la vie, c'est ça le déroulement. Tout cérémonial, tout un rituel avec ses honneurs militaires qui lui sont rendus dès le début. Nous saluons en tout cas euh, l'équipe de la présidence de la République qui nous a beaucoup aidé ce matin, Omar Nying qui est là depuis ce matin et qui nous a beaucoup aidé euh, avec sa générosité légendaire également, euh, toute l'équipe présidentielle. Le président Macky Sall Boulouvaé donc est en train de partir et va maintenant, il fait la revue des troupes, dernière revue des troupes. Voilà. Une belle investiture ce matin. Euh, d'abord déjà au centre des expositions de Diamniadio, ensuite ici avec la réception du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui est maintenant le cinquième président de la République du Sénégal. Le président Macky Sall voilà, est parti euh, et qui a tous euh, les remerciements et toutes les félicitations du peuple sénégalais euh, pour ces 12 années de magistère euh, qui lui ont permis de réaliser beaucoup de choses à la tête du Sénégal sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. beaucoup de choses ont été faites par le président Macky Sall, l'hydraulique, la santé, l'économie, le chantier. ce sont également d'autres chantiers immenses du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui va mettre en œuvre son programme, lui aussi, qui va, euh, Khalil le disait tout à l'heure, euh, continuer les chantiers, continuer l'émergence économique du Sénégal avec des réformes. Bien entendu, il y aura des réformes. Certainement, il y aura des réformes. Il y a même le président Macky Sall, quand il était là, il était dans ses réformes. Et le président euh, de la République, son Excellence Bassir Diomaye Faye, euh, va faire des réformes également. faut que tey jii di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi tok ne tok xaar bay président njiitu président Macky Sall mi nga xamné ne mom la fi woti ni ni daal di yeeweeku toog itam noonu la ñuy gungee gan gan du la wan ginnaaw rek nga wan ko ginnaaw waaye da ngay xaar loolu sax nag tubaab bi wane nañ ci mandarga yu kawe kawe kawe ca nañuy sargal ak nañuy warmaale seen gan xaar ba mu dem xaar ba nga gis ne otoom génn na fii yëpp ngay doog a itam daal di wàññeeku loolu mooy taarix gis nga tey ji président Macky Sall eh, ci biir Land Cruiser bi eh, mu ngi dem nag fi nga xam ne nii xam naa ne xëy na mooy makkaanam eh, loolu mooy li nga xam ne nii moo doon taarixu réewum Sénégal président Bassirou avec M. Euh, cortège. Faye avec euh, le détachement de la garde présidentielle. Merci, Monsieur le Président de la République, accompagné également de tous ses collaborateurs.